présidentielle deuxième tour par la Commission nationale euh, électorale indépendante, euh, plusieurs personnes euh, se sont sporadiquement organisées dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey pour protester contre les deux résultats en procédant à des actes de vandalisme sur des biens publics et des biens privés et de dégradation de véhicules, de, vols, de pillages des de propriétés privées et même euh, d'atteinte à l'intégrité physique euh, des personnes. Et, ces actes sont tous euh, constitutifs d'infraction à, à la loi et c'est pour cette raison que la police et tous les, toutes les forces de défense et de sécurité se sont organisées non seulement pour rétablir l'ordre républicain et pour aussi procéder à l'interpellation de plusieurs personnes contre lesquelles il y a des indices eh, de leur participation eh, à ces actes eh, de vandalisme, ou certains comme auteurs, certains comme complices des dix actes. Donc à, la date d'aujourd'hui, parce que les interpellations ont continué depuis hier après-midi jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes sont déjà interpellées, sont au niveau de la police judiciaire où la sensibilité seront situées, ceux contre lesquels des indices graves et concordants seront retenus, vont être déférés euh, devant les tribunaux. Et ceux, par contre, contre lesquels il n'y aura pas d'indice grave euh, ou qu'il n'y aura pas d'indice du tout, euh, pourront regagner leur famille. Et, à la date d'aujourd'hui aussi, en dehors de ceux qui sont déjà interpellés, plusieurs autres personnes sont recherchées parce qu'ils sont soit auteurs, soit complices de ces actes de vandalisme. Voilà euh, ce que, en substance, nous allons nous avons l'intention euh, d'apporter euh, comme information à l'opinion nationale et internationale. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été impliquées ou interpellées Vous savez, au stade actuel, il n'est pas intéressant, il n'est pas, ça serait violer le secret de l'instruction parce que lorsqu'une affaire est déjà devant les tribunaux, devant la police judiciaire, ça veut nous sommes dans une phase judiciaire. Donc euh, il faudrait laisser euh, la, police et la justice faire son travail en préservant euh, le droit, le principe de la présomption d'innocence et en préservant le secret de l'instruction dont, la loi dit qu'elle doit être secrète. donc pour l'instant, il est trop tôt d'avancer de, des noms des personnes alors que et pour l'instant, d'autres viennent juste d'être interpellés. Donc, euh, il faut juste retenir que plusieurs personnes sont interpellées, certains comme auteurs, certains comme complices, et pour plusieurs autres sont en train d'être recherchés par rapport à ces actes euh, de vandalisme qui ont été posés dans la ville de Niamey. Merci, Monsieur le procureur, pour ces explications.